le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse, l'émission qui reçoit des journalistes de la presse locale écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Trois sujets au menu du forum de ce soir. D'abord, sur le plan éducatif, avec euh, la publication des résultats globaux du baccalauréat session 2019, le taux de réussite est de 26,56%, soit le taux le plus bas depuis 2013. Sur un autre volet, le calendrier des élections générales 2020-2021 au Niger a été rendu public il y a une semaine par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Enfin, nous aborderons l'apparition médiatique de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions Assimilé Halcia à propos de plusieurs sujets d'actualité. Pour en discuter, nous avons invité nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir. Bonsoir. Issa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. la présentation, Alassane Kouzi Mohamed. Bienvenue à tous dans le forum de la presse. Nous l'ouvrons par la publication des résultats globaux du baccalauréat session 2019. Il ressort que cette année, sur l'ensemble du territoire national, le taux de réussite globale est de 26,56%, soit le taux le plus bas depuis 2013. Alors Hassan Boukar, quelle est la lecture que vous faites à propos de, ces résultats et quelles peuvent être les raisons principales de ce recul, selon vous bon. Merci beaucoup Alassane. Bon, normalement, c'est vrai, ça peut apparaître comme euh, une surprise, mais normalement, ça ne doit pas surprendre beaucoup de monde dans ce pays. Hein. Euh, c'est vrai que qu'on dise sur quatre candidats, il y a un qui est admis. C'est quand même assez inquiétant. Par contre, euh, les résultats du bac, ça fait longtemps que ces résultats ne sont pas bons. Mmh. et c'est connu de tout le monde. Je pense que un, des arguments que j'ai entendu, c'est de dire, ou en tout cas une des critiques ou interrogations, c'est de dire, euh, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de grève des enseignants. On s'attendait peut-être à des résultats meilleurs. Bon, on oublie que pour arriver au bac, il faut avoir traversé plusieurs années. Mais ces années, il faut les évaluer. C'est des années extrêmement difficiles. Donc celui qui arrive au bac a déjà sur le dos deux, trois, quatre années perturbées avec euh, des années réduites à 6, 7 mois, etc. etc. Donc celui qui arrive au bac, il est, il est le fruit de tout ce système-là. Donc quand il arrive au bac, il arrive suffisamment diminué. Donc ce n'est pas étonnant. Par contre, euh, si les gens veulent saisir cela, et c'est peut-être ça le plus important pour moi, si les gens veulent dire euh, un candidat qui admet sur quatre, c'est quand même très inquiétant. Il faut réfléchir, il faut agir, ce serait bien. Mais sinon, normalement, les gens ne doivent pas être surpris puisque euh, le système, les insuffisances, on les connaît déjà. Je ne vois pas très bien les mesures qui ont été prises pour mettre fin aux insuffisances constatées. Et du coup, on ne doit pas être surpris que les résultats soient, soient, celui-ci. Donc pour moi, euh, tout le monde connaît la situation de, l'école. Ça va continuer à se dégrader euh, si on ne prend, euh, on, ne prend pas des mesures. Pour l'instant, on ne voit pas les mesures. Et donc, le débat ou les résultats actuels auraient eu un mérite si ça permettait vraiment d'engager les pouvoirs publics, tous les acteurs, dans une réflexion pour arrêter la descente aux enfers. Alors, Garé Amadou, euh, du quotidien de La Nation. Est-ce que vous pensez, comme euh, Hassan Boukar, que finalement ces résultats euh, de la session 2019 du baccalauréat, c'est le cumul de, en tout cas, de tout ce qu'il y a eu comme perturbation dans les années à venir qu'il ne faut pas voir simplement l'année en cours ou qui n'a pas <coughs> été perturbée. Oui, c'est sûr. Ce que Hassan Boukar dit est, très vrai tous les arguments qu'il a développés sont des arguments qui, sont en tout cas qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. Mais en plus, vous savez, euh, puisque comme il a dit, il a expliqué, avant d'arriver au niveau du, lycée, il faut d'abord faire l'école primaire, ensuite le collège. Le, collège, le lycée. Et on arrive au lycée. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé mm. L'évaluation que le ministère de l'Éducation nationale a faite a permis de savoir que dès l'école primaire, il y avait des enseignants qui n'avaient pas la capacité d'enseigner. Mm. Vous savez, c'est ce qui fait que ces dernières années, quand les structures, les structures étudiantes, même au niveau de l'USM, quand un secrétaire général parle, il fait des fautes, vous comprenez Des fautes énormes de français parce que, depuis le, en fait, il a été, il a été mal formé. Et donc, maintenant, pour qu'on arrive à un, en tout cas, à un stade où l'éducation sera vraiment sur les rails, peut-être il faut 10 ans ou 15 ans. Parce que pour le moment, ce sont ces enfants-là qui ont été formés par des mauvais enseignants qui ont cheminé, qui sont arrivés au lycée. Vous allez voir un, enseignant, un, élève avant, à notre époque, mm. Vous ne pouvez pas venir au lycée et puis ne pas pouvoir bien parler et puis ne pas pouvoir faire des réflexions, etc. etc. Mais quand vous avez des enseignants depuis l'école primaire qui ne savent pas très bien compter eux-mêmes, l'évaluation l'a prouvé, n'est-ce pas Qui ne savent pas faire une grammaire, qui n'ont aucun vocabulaire, qui, qui parfois illettrés, qu'on a ramassé comme ça. Donc c'est ça qui a amené aujourd'hui les, les, élèves qui sont au niveau des lycées, pratiquement c'est les, élèves très carents. Et donc, et là, la responsabilité de l'État est parce que c'est l'État qui a recruté les enseignants contractuels n'est-ce pas Et c'est l'État qui a fait en sorte que les enseignants contractuels qui n'avaient pas le niveau ont été pris eh, pour, pour faire un enseignement de masse. Et on voit le résultat aujourd'hui. Maintenant, comme l'a dit Hassan, c'est-à-dire qu'il faut voir comment faire pour rectifier. De plus, moi, je connais des enseignants de lycée qui sont extrêmement carents et qui sont parmi les correcteurs. Oui, et qui sont parmi les correcteurs. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'un enseignant qui est censé être un professeur de philosophie, mais qui ne peut même pas faire un raisonnement philosophique, et quand on me dit que cet enseignant-là va corriger des notes, des copies au bac, mm. j'ai peur pour les enfants. Mm. Vous comprenez Quand je vois un enseignant, on me dit qu'il enseigne le français dans un lycée. Quand tu te fais une phrase, elle est bourrée de fautes, on me dit que cet enseignant-là va corriger des copies au bac, les enfants me font pitié. Donc il y a un ensemble de problèmes qu'il faut pouvoir résoudre. Mm. Je pense que tant qu'on ne fait pas ça, même l'année prochaine, je pense qu'on ne dépassera pas les 30%. Bien. Euh, alors, Hussein Issa, vous, comment est-ce que vous avez, euh, en tout cas, euh, accueilli ces, cette nouvelle, ces résultats du bac 2019 26,56% de taux de Abba comme guerrier à travers les analyses qu'ils viennent de produire. En tout cas, ils ont fait la sommation des problèmes que rencontre l'école nigérienne depuis pratiquement plusieurs décennies. C'est une école karma à l'abandon. On l'a dit, on l'a redit. Les autorités sont bien conscientes de la situation, mais le problème, on ne veut pas s'asseoir pour y mettre fin. Alors, euh, est-il possible de redresser la barre non, mais bien entendu, avec la volonté, avec une ferme volonté, on peut bien évidemment réduire la barre et comment renverser euh, euh, la tendance. Mais encore faudrait-il que, effectivement, ça les intéresse. On n'est pas dans ce schéma-là. Tout à l'heure, Gary vient de dire peut-être qu'il faut 10 ans. Mais malheureusement, 10 ans ne suffiraient pas pour redresser, comme avait dit le cap. Parce que la dégradation a atteint un tel niveau que pour pouvoir euh, changer la donne, il va falloir mettre beaucoup de temps. Il va falloir mettre beaucoup de temps, amener beaucoup, apporter beaucoup de réformes. Et on n'est pas dans ce schéma-là actuellement. On se contente de, dire, ah, ça n'a pas marché. Parce que même quand on dit, moi je l'ai dit, avant, longtemps avant le bac, avant la, date euh, qui a été prévue, quand on dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de perturbations, j'ai dit non. Même cette année, les, enfants, les écoliers n'ont pas véritablement, ils n'ont pas étudié. En tout cas, moi, je peux peut-être tabler ça sur six mois, sur les neuf. cinq, six mois, voire cinq, six mois. Mais un élève de terminale qui doit normalement, même à neuf mois, boucler un programme de terminale, n'est pas évident. C'est pas évident. Et on se retrouve avec six mois de formation ou de programme et on va à ces, à, ces comment dire, à ces, examens. là mm. Bien évidemment, il faut pas être surpris avec la baisse de niveau, bien évidemment, qui est là. C'est une baisse de niveau. On prend de l'école primaire au collège et, et comment dit et, et au lycée. C'est la même situation. Parce que l'école, c'est un processus. C'est un processus. Tu commences par l'école primaire, il y a un certain nombre d'acquis au niveau de l'école primaire. Mm. Tu viens au collège, il y a un certain nombre d'acquis, tu avances avec. Tu viens au, collège, euh, au lycée, c'est la même chose. C'est cette formation-là qui est évaluée au niveau du mm. bac. Mm. Malheureusement, on n'est pas dans ce schéma. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression avec les mesurettes là, c'est-à-dire évaluer les enseignants, tout ça, et voir comment on peut renforcer leurs capacités. Quand l'enseignant même n'est pas à mesure en tout cas, on ne comprend pas grand-chose. Il faut d'abord, c'est pas renforcer les capacités. C'est quand la personne a déjà une quelconque capacité, mais quand la personne n'a même pas de capacité pour enseigner, quel renforcement on peut apporter mhm. C'est ça le drame de l'école nigérienne. Les acteurs de la société civile n'ont eu cesse de dénoncer cette situation-là. Mhm. Hier seulement, j'entendais quelqu'un dire qu'il faut organiser des états généraux de l'éducation. D'accord, c'est bien beau d'organiser des stages généraux d'éducation, mais encore faudrait-il que quand les résultats ou bien les conclusions de ces stages généraux-là soient Mis, en œuvre. Et voilà un autre défaut dans ce pays-là, parce qu'on fait les choses, on, range dans les tiroirs et puis c'est fini. Bien. Euh, Hassan Boukar, euh, comment redresser la barre aujourd'hui Alors, comment redresser Moi, je, je continuerai là où Ousseini s'est arrêté. Oui. Alors, euh, comme on l'a dit, quelqu'un qui arrive en terminale est déjà quelqu'un qui a traversé un bon bout de chemin dans le système. Mm. Alors, regardez aujourd'hui, tout le monde dit, les contractuels, la plupart n'ont pas les niveaux. Regardez a fait allusion il y a un instant au test qui a été fait par le ministère qui montre qu'il y a vraiment des gens qui ne doivent pas être dans le système et qui sont là avec des responsabilités auxquelles on a confié des salles de classe. Mais il y a aussi des régions dans ce pays dans lesquelles finalement, les écoles sont là, il n'y a pas d'enseignants. Euh, je vois beaucoup de zones en milieu rural vers lesquelles même les contracteurs ne veulent pas aller. Parce qu'il faut dire aussi que quelque part, beaucoup d'enseignants euh, contractuels ont vu leur contrat résilié suite justement oui, à, a, euh, Alors, mm. je, parle de ceux qui sont... notre gap. Tout à fait. Je parle de ceux qui sont en quoi dans le système, mm. parce qu'on considère que, par exemple, la commune de Ngourti, on considère que c'est très loin. Euh, Ifirouane, toutes ces zones-là aujourd'hui, beaucoup de jeunes, euh, pas seulement enseignants, mais en tout cas la plupart des jeunes ne veulent pas aller servir dans ces zones. Les écoles sont en sous-effectif pour les enseignants. Il y a les élèves, il n'y a pas les enseignants. Et donc, à un moment, le ministère a dit, le, le corps enseignant s'est féminisé. Il y a plus de femmes qui que d'hommes. Euh, je pense que le ministre Marquet a tenté de le faire en disant il faut qu'on affecte les femmes là où il y a le besoin. Mm. On voit bien le problème que ça pose. Mm. Euh, ça a été extrêmement difficile parce qu'on disait bon, ça va porter atteinte à la cohésion des ménages. Une femme qui, abandonne les enfants et le mari, qui va, etc. On voit tout ça là. Mm. Sur le programme, on a fait le PD2, puis on s'est arrêté. Maintenant, on est au Prozef. Il y, a, tout un tâtonnement aujourd'hui des pouvoirs publics sur les questions de l'éducation. Mais il n'y a pas que le pouvoir public au sein de la communauté, à mon avis, il faut qu'on arrive à un vrai consensus. Au sein de parler d'État généraux, il ne faut pas simplement voir euh, des gens qui vont venir dire mais quelle est la solution, on a des problèmes, etc. C'est beaucoup d'aspects, les solutions sont bien connues. Pour les appliquer, il faut un vrai leadership. Hmm. Il faut qu'il y ait un vrai consensus et ça va au-delà des mandats des acteurs politiques si vous avez réellement aujourd'hui un consensus sur 10-15 ans avec tous les acteurs, voilà, voire 20 ans, si vous avez une solution consensuelle, puisque les, réponses aussi, on connaît, on connaît les solutions dans ces pays, on a suffisamment réfléchi, cogité sur l'école, on connaît aussi les solutions. La difficulté, c'est aussi la capacité à pouvoir le faire. On a aussi des partenaires euh, qui, sous le couvert de nous accompagner, des, des banques euh, qui font des programmes d'éducation, je fais allusion par exemple à la Banque mondiale. Oh, en fait, je pense que sur l'éducation aujourd'hui, on peut faire un minimum de travail de façon à avoir un vrai consensus national sur la question, y compris avec les acteurs, euh, ceux qui sont là, euh, ceux qui peuvent aller en grève, ceux qui peuvent, etc. Et donc, tous les acteurs qui sont concernés, faire des actions de longue durée. Mm-hmm. Pour avoir les résultats, il faut absolument agir sur le long terme. Mais si aujourd'hui le régime actuel, le président il fout il choisit ce qu'il veut faire avec son ministre, etc. etc. À la fin, quelqu'un vient, ce n'est pas évident que ce qu'il lui, la preuve, ça reste. La preuve, lui-même, il a changé des choses qu'il a trouvées. Et donc, à mon avis, s'il n'y a pas un consensus de tous les acteurs sur une période longue, on va toujours avoir des résultats de 25% au bac. Gare Amadou, comment vous, vous pensez en tout cas qu'on peut rectifier le tir entre guillemets si un peu... Non, ce que Abadi, dit, c'est vraiment la, la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il faut une solution de longue durée pour le système éducatif. C'est-à-dire que les, trucs ponctuels, là, les mesures ponctuelles ne peuvent pas améliorer la situation. Vous voyez, même si aujourd'hui on fait les états généraux de l'éducation nationale, c'est pas pour que l'année prochaine, le taux là puisse arriver à... Non. Mm. C'est-à-dire là, c'est pour que peut-être dans 5 ans, qu'on puisse voir un début d'amélioration. Mais je pense que effectivement, il faut essayer de voir où se trouvent les problèmes. Vous savez, il y a des problèmes au niveau des, des structures scolaires, n'est-ce pas La section collège et lycée il y a des problèmes au niveau de, euh, des, des, contractuels, parce qu'il y, a encore des contractuels. Il y a des problèmes au niveau des enseignants. il faut essayer, peut-être que ces états généraux-là, peut-être vont permettre, en tout cas, d'avoir des, des, des, solutions consensuelles qui vont être acceptées par tous et qui peuvent permettre, en tout cas, à l'éducation nationale de de, de, vraiment poursuivre. En tout cas, d'avoir. Pour, vous, cette, ces états généraux s'imposent mais, mais elle s'impose. Mais il ne faut pas que ça devienne juste un forum, une sorte de foire qui ne donnera aucun résultat. Ou que, bon, c'est pas ça qui va empêcher au syndicat d'être en grève. Mais s'entendre sur les minimums, en tout cas pour mettre à, l'éducation. De... Parce que le problème, c'est quoi eh, Vous avez toujours, au cours d'une année scolaire, des problèmes entre le dialogue entre le ministère de tutelle et les syndicats. le ministère de tutelle et les, structures étudiantines, les mm. structures scolaires. Et donc, tant qu'on ne met pas en place un dialogue, vous voyez par exemple, aujourd'hui, on est, maintenant on est pendant les vacances. Quand on n'a pas un institut de dialogue, on ne peut pas avoir de bons résultats. On est pendant les vacances. Normalement, le ministère de l'Éducation nationale doit appeler les syndicats des contractuels, la section lycéenne et collégienne, la section, pour venir s'asseoir, pour qu'on puisse préparer la rentrée, pour voir qu'est-ce que vous avez comme problème. Parce qu'il y a des problèmes hmm. qu'on a laissés. Il y a des problèmes qui sont toujours, qui sont toujours actuels, Les revendications des scolaires, elles sont toujours... Asseyez-vous et puis voilà, quels sont les problèmes pour qu'on puisse les résorber avant la rentrée, pour qu'on ait une rentrée tranquille. Hmm. Mais on a toujours vu, à chaque fois, c'est des rentrées perturbées. donc, vous voyez, hmm. et on n'apprend pas. Et moi, je pense que, j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale, créer un cadre pour que les syndicats, n'est-ce pas, les structures euh, euh, de collégiennes et lycéennes, euh, l'USN pour qu'on puisse s'asseoir pour préparer la bonne rentrée, voir quels sont les problèmes de chacun, voir ce qu'on peut faire. une stabilité académique. Euh, quels, sont, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions immédiates qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut apporter et quelles sont les solutions à long terme qu'on s'engage à apporter. Là, quand on crée ce cadre de dialogue-là, je vous assure que la rentrée sera bien. Et en tout cas, il y aura un bon début pour que l'année scolaire soit, en tout cas, euh, qu'elle puisse donner de bons résultats. Allez-y. Rapidement, ce que je veux dire, c'est que Gary vient de développer. Effectivement, c'est le contexte est, comment dire, idéal maintenant pour rencontrer les partenaires. Mais le tout n'est pas de prendre des engagements parce que souvent, on a tendance à jeter le caillou sur les enseignants ou les élèves. Ils ont des revendications. Le gouvernement s'engage à, à résoudre ces revendications à travers des protocoles et tout et tout. En fin de compte, le délai arrive, les, les engagements n'ont pas, été respectés. Bien évidemment, c'est des, êtres humains, les enseignants, c'est des êtres humains. Ils ont besoin de manger pour pouvoir aller enseigner. Il faut assurer le minimum. Ce sur quoi vous vous êtes engagé là, il faut le respecter. C'est ça le plus important. Mais malheureusement, on a affaire à des gouvernants où on prend l'engagement, on prend comment dire, des échéances, mais malheureusement, les échéances arrivent. Et c'est le cas aussi à l'université de Niamey. C'est ça le drame de l'école. Le respect des engagements. Le respect des engagements mutuels. C'est ce qu'Abba vient de dire. Il faut qu'il y ait un consensus autour de la question de l'école, un consensus autour de la question de la santé aussi. Tant qu'il n'y a pas ça, moi je dis, le problème vont persister au niveau de l'école. Nous allons passer au second sujet du forum d'aujourd'hui concernant le calendrier des élections générales 2020-2021 au Niger. L'édit calendrier a été rendu public il y a une semaine par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, les élections régionales et municipales repoussées depuis plusieurs années sont programmées pour le 1er novembre 2020. Les élections législatives couplées à la présidentielle auront lieu euh, le 27 décembre 2020 et dans le cas d'un second tour, ce sera pour le 20 février 2021. Alors, quelle est l'analyse qui vous inspire ce chronogramme euh, de la CENI <clears throat> J'espère simplement que on a un chronogramme avec des dates, euh, comme avait dit Fix, euh, des dates bien précises. espérant Espérons que le chronogramme va être tenu. Mais l'enjeu principal d'abord, c'est un peu le recensement, l'enrôlement des électeurs. Hmm. Parce que c'est ça le, le, le, véritable problème. Et on sait que le processus est en train d'être conduit sans la participation d'une frange importante de l'opposition politique notamment le FRDDR et puis le Front patriotique de Ibrahim Yakou, qui ne sont pas dans le jeu. On ne sait pas ce que ça va aboutir, tout ça. Mais toujours est-il dit que, bon, il faut d'abord disposer d'un fichier consensuel, biométrique consensuel. Et un fichier biométrique, l'élaboration d'un fichier biométrique, c'est pas comme le fichier classique. Parce qu'il y a des données biométriques qui sont intégrées dans la, la carte d'électeur qui doit être livrée, délivrée aux électeurs, aux, Nigériens. Et ça, ça l'enjeu. Et pour ce qui est justement de ces fichiers, euh, une date aussi a été annoncée. Il s'agit du 10 août 2020, euh, date, date annoncée pour la remise officielle du nouveau bah, fichier ça, c'est euh, des électoral biométrique. Pour moi, c'est, c'est juste des indications parce que par le passé même, on a assisté à ce genre de choses. On dit ça va commencer à telle date, ça va commencer à telle date. Le tout, c'est de démarrer. Et on va voir ce que ça va donner. Ils ont dit que ça va bientôt commencer l'enrôlement des électeurs. On va voir ce que ça va donner. Mais le Niger est un pays très vaste. Et quand on va faire le fichier biométrique, il y aura quand même comment vais-je dire, euh, des, correctifs, parce que quand tu as des erreurs, quand il y des erreurs, il faut corriger et tout et tout. Ça, c'est une autre perte de manche aussi. Et c'est ça qui me fait dire que c'est pas tellement évident, c'est juste des indications peut-être qu'ils ont données, mais c'est pas évident que ces dates-là puissent tenir, notamment par rapport à la remise du fichier biométrie. Mmh. Euh, Amadou, ces, chronogrammes, en tout cas, euh, rendus publics par, le, par, le, par la CENI, quel, quel commentaire oui, c'est un programme quand même qui, rassure parce que, euh, en tout cas, il y a quelques semaines de cela, les gens commençaient à s'inquiéter. Mais je crois qu'avec ce chronogramme-là, quand même, les choses commencent à être, en tout cas, euh, euh, de façon concrète, on commence à voir les choses venir. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est la position de l'opposition politique. Vous avez une opposition politique qui refuse carrément de s'asseoir, qui, qui boycotte le CNDP, qui boycotte la CENI, dont l'effectif a été agrandi. Maintenant, c'est 19. Avant, c'était 13. Maintenant, on a amené le, le, le, de 13 à 19, de 13 à 19 Voilà, oh, oh, oh, et, et, on a fait en sorte que les agents de l'État n'aient pas le droit de vote. Donc toutes les Mais malgré tout, l'opposition continue à faire la politique de la chaise Je me suis posé la question, mais est-ce que l'opposition veut aller aux élections ou je ne comprends pas Parce que quand même, une, une, CENI qui organise une réunion, qui invite tout le monde, l'opposition ne vient pas. On fait un chronogramme, mais même ça, c'est l'objet de critiques. Est-ce que la CENI a eu tort de, faire de, proposer un programme euh, Parce que même la réunion convoquée par la CENI pour justement communiquer ce, calendrier a été boycotté boycotté ça. et vous savez, euh, et pire, vous savez pire, pire, mm. euh, la chose la plus, la plus grotesque, la plus horrible qu'on c'est que l'opposition ne semble pas vouloir inciter ses militants à se faire enrôler. C'est-à-dire que même le, fichier sur la base duquel les élections doivent se dérouler, l'opposition est là elle n'appelle pas ses militants à partir, se faire, se, faire en tout cas recenser. Non, non, non, ce n'est pas son problème. Et donc je me dis, non, l'opposition pour moi ne veut pas partir aux élections. C'est ce que je me, suis dit. Parce que je ne peux pas comprendre cette attitude-là qui vise à en tout cas, boycotter pratiquement tout le processus Dès qu'on annonce une date, vous critiquez. Si on fait ceci, vous critiquez. Ils passent tout leur temps en train de critiquer. Mais qu'est-ce qu'ils font pour se préparer pour participer aux élections eh, Mais est-ce que, est que vous, vous, vous n'avez pas de crainte euh, par rapport au respect ou pas des, sur les dates Non, les dates, pour, moi, pour moi, les dates, vous savez, les dates sont toujours indicatives. Hmm. Vous comprenez Seul Dieu sait ce qui va se passer demain, bien sûr. Mais eh, les dates ont été fixées par la CENI après, après consultation de, de ses experts, n'est-ce pas En tout cas, après études détaillée. Et je pense que l'essentiel pour nous, c'est que le, deuxième tour qui est censé se dérouler, je crois, le 20 février, l'essentiel est que les institutions, en tout cas le prochain président de la République, puisse prêter serment en avril, je ne sais pas si c'est le 2 ou c'est le combien, n'est-ce pas en tout cas qu'il ne puisse pas dépasser son mandat. Et je pense que c'est ça le souci. Mm. L'essentiel, c'est que les élections se déroulent dans les délais, en tout cas dans la période impartie de mandat, mm. et que le mandat ne puisse pas être dépassé. Et je pense qu'on est bien parti. Mais franchement, l'attitude de l'opposition, aujourd'hui, moi je suis sidéré, je ne comprends plus rien, mm. n'est-ce pas Des gens qui sont en train de partir en campagne pour mobiliser les militants, n'est-ce pas et, qui, là maintenant, pratiquement boycottent tout le processus, sac tout le processus. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent Bien. Alors, Hassan Boukar, euh, vous avez aussi suivi euh, la communication des différents des chronogrammes pour les élections euh, régionales, communales et puis présidentielles et législatives. Quelle appréciation vous, faites de, cette annonce En tout cas, Conseil qui n'est pas qui n'a pas reçu toute l'approbation, on va dire toute l'approbation de l'opposition qui a boycotté la rencontre. Oui, l'opposition est, dans une démarche euh, bon, qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Hein. Euh, parce que euh, on peut comprendre au début, elle avait posé des, exigences sur la composition de la CENI, sur une élection inclusive et tout ça. Bon, moi, ce que j'ai crains pour l'opposition, qu'elle puisse revenir sans qu'on le lui demande. C'est-à-dire, à force de placer haut la barre, euh, on, peut le croire s'ils ont les moyens de peser sur le jeu et d'imposer au pouvoir qu'ils aillent aux réformes, aux changements qu'ils veulent. S'ils n'ont pas cette capacité, ils vont perdre toute la ligne et ils seront obligés de revenir, comme on dit, la queue entre les pattes, à, à ce processus-là. Parce que il faut bien lire les choses. Hein. Euh, encore une fois, la politique, c'est une question de rapport de force. Mm. Si l'opposition aujourd'hui a rapport de force, que ce soit en mobilisant des, médiateurs internationaux, que ce soit sur le terrain aujourd'hui, à obliger le pouvoir à prendre en compte ses exigences, oui, mm. peut-être que sa position se justifie. Mm. Mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est simplement des gens qui disent nous on boycotte et qui reste Boycotter une élection, toute l'histoire des élections montre en Afrique, quand on boycotte une élection, on est toujours perdant. Et donc, pour l'instant, probablement, ils ont des, stratégies, des démarches qui seront connues plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas visible. En ce qui concerne les dates, mm. euh, évidemment, il y a beaucoup d'inconnus hein, euh, dans ce pays. Pour organiser des élections, il faut par exemple s'interroger sur le contexte sécuritaire. Est-ce que la sécurité va en s'améliorant si elle s'améliore, c'est bien. Si elle ne s'améliore pas, ça peut être euh, difficile dans certaines régions de ce pays d'organiser des élections. Je pense que la CENIA aussi parle de son budget. Ça fait au moins 40 milliards. C'est beaucoup d'argent. On peut penser que cet argent peut être réuni, mais bon, il faut que ça soit vraiment suffisant pour que les élections soient bien organisées. globalement, c'est pour moi, ce serait dommage qu'on puisse avoir aussi des élections contestées ou seulement qu'il y ait une partie de la classe politique qui Ce serait vraiment dommage. Mm. À un moment, on était quand même considéré comme un pays qui est capable de faire des élections propres dans la sous-région, je pense qu'on avait quand même ce crédit-là, c'est-à-dire faire des élections où le vaincu reconnaît la victoire du vainqueur, le président Issou l'a fait, mm. le président Seyni Omar euh, l'a fait, ça montre quand même qu'on avait une certaine tradition et peut-être une expertise du point de vue de l'organisation des élections. Alors, La tendance est en, train de changer. Oui, pour moi, c'est, en tout cas actuellement, il n'y a quand même euh, il y a pas du tout de dialogue entre l'opposition et le pouvoir à quelques mois, j'allais dire seulement des, élections à venir, mm. et ça ne présage rien de bon pour l'avenir. Donc, Alors, euh, oui. Oh, il y a cette question aussi du fichier électoral biométrique qui est, qui en, jeu. Oui, le, fichier, c'est un des enjeux majeurs. C'est un des enjeux majeurs. Euh, on le fait pour la première fois. Il faut absolument arriver à le réussir. Donc, ça va être un enjeu majeur, euh, ce, ce fichier biométrique. Pour arriver à le faire, sur le plan national, ça demande beaucoup de moins. Il faut absolument pouvoir le faire. Août 2020, j'espère que la CENI va pouvoir obtenir ce, fichier. Mais il faut aussi que ce soit, euh, que le fichier, s'il est trop contesté, c'est un mauvais départ. Parce que le fichier, c'est sur la base de ce fichier que les électeurs sont euh, dénombrés, identifiés, etc., etc. Si le fichier fait l'objet de beaucoup de contestations, c'est un mauvais départ. Mm. Donc arriver déjà à le faire, c'est un gros défi. Hein. Mais si le, fait, si le résultat aussi suscite beaucoup plus d'interrogations que des réponses, je pense que ça peut aussi être un mauvais départ. Alors, euh, dernier sujet de cette émission sur le point de presse de la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, qui, après investigation, a trouvé des irrégularités euh, dans le concours des douanes, mais aussi des violations des textes sur la mise en route de, l'édition du permis de conduire biométrique, ainsi que des fraudes dans les circuits des hydrocarbures. Euh, au comment avez-vous accueilli cette sortie médiatique de la Halcia Êtes-vous surpris mais euh, pas du tout. Je n'ai été du tout surpris. Et pratiquement depuis euh, la réforme, ou du moins sur le renforcement de la Alcia, de ses attributions, vous les voulez attributions, prérogatives de la Alcia, je crois, il y a quand même un dynamisme qui s'est fait ressenti Le président Sokta avait fait son travail à l'époque, mais véritablement, c'est un certain nombre de malversations, des fraudes concours, comment veut dire, détournement des deniers publics, tout ça, y compris quand même des magouilles ou bien des, eh, magouilles organisées par des ministres. Moi, j'ai dit, l'ALC a fait un bon travail, a fait vraiment un bon travail, mais maintenant, c'est la suite. C'est la suite. Normalement, tous ces dossiers-là ne doivent pas traîner au niveau de la justice. La justice doit pouvoir les prendre en charge rapidement parce que c'est des dossiers sensibles pour démontrer sa capacité de se démarquer un peu de, l'exécutif. Parce qu'il y a certainement des personnalités qui vont être épinglées. Et c'est à ce niveau que le problème risque de se poser. Alors que normalement, dans un pays véritablement démocratique, qui que tu sois, surtout quand tu es en, poste, en, position d'autorité, c'est que tu dois pouvoir, euh, en tout cas, rendre gorge quand tu poses des actes, des actes répréhensibles de nature à, compromettre, euh, comme avait dit, de nature à comprendre les intérêts de l'État. Mm. Et dans tous les dossiers-là qui ont été énumérés, je crois que les intérêts de l'État ont été compromis. Maintenant, est-ce que la justice va prendre ces dossiers-là en charge rapidement ou on va attendre un laxisme euh, euh, auquel on a l'habitude d'assister dans ce pays C'est ça le véritable le, véritable questionnement. Alors, on, a vu en tout cas un certain nombre de dossiers qui ont été euh, passés à revue. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention euh, dans ce communiqué les dossiers, les dossiers relatifs au concours, du recrutement à la fonction publique, euh, le, dossier relatif au, permis biométrique là, où carrément le nom des ministres, le ministre des Transports même <laughs> est, cité, son nom est cité dans le dossier, je veux dire quelque part, bon, c'est vraiment incongru ces Jacques de pratique. C'est incongru ces Jacques de pratique. Venir monter une société pour demander à des citoyens qui disposent de leur permis depuis pratiquement plus de 20 ans qu'ils doivent quitter l'ancienne formule pour venir faire un fichier biométrique. En quoi c'est urgent En quoi Si ce n'est pas pour chercher à faire de l'argent, à permettre à des gens, en tout cas des proches, de, se faire de l'argent, ce qui n'est pas normal. Et je j'ai mm. dit, ces questions-là doivent être prises en charge par la justice mm. pour que les gens sentent véritablement qu'il n'y a pas de deux, poids, deux mesures en matière de traitement des dossiers au niveau de la justice. Garé Amadou, euh, quelle est votre analyse par rapport à cette sortie médiatique de, de la Halcia sur ces dossiers d'actualité la sortie médiatique de la Halcia était une sortie en tout cas bien attendue et qui était vraiment bienvenue parce que vous savez, en matière, quand vous, quand vous dirigez un service public, la communication est extrêmement importante parce que sinon les gens ont l'impression que vous ne faites rien. Les gens ont l'impression que vous ne faites rien. Donc la communication, c'est elle qui permet de, montrer aux gens ce que vous êtes en train de faire. Le président Alicia a fait une, une, communication où il a parlé de tout le travail qu'il a accompli depuis qu'il a pris fonction, n'est-ce pas Les 180 plaintes. il a parlé de plusieurs dossiers, notamment les hydrocarbures, l'affaire du permis biométrique, les concours, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est déjà des choses qui, sont, qui ont été, des dossiers qui ont été ficelés et qui sont transmis à la justice. Il a aussi dit que, en tout cas, parce qu'une question lui avait été posée par un journaliste juste après le point de presse, le journaliste lui demandait, mais euh, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas des risques oui, il y a des dossiers qui sont transmis, mais on ne voit rien venir. Et le, le, président d'Alcia a dit que non, les dossiers que moi je transmets, jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours connu une suite. Mm. Maintenant, ce que j'ai dit, mm. ce que l'Alsa fait un travail, mais qu'est-ce qui peut rendre l'Alsa crédible C'est la justice qui peut rendre l'Alsa crédible. Sinon, on aura l'impression que c'est une institution qui ne sert à rien du tout. Pourquoi je dis cela Il faut que les dossiers qui sont transmis, comme l'a dit Ousseini, puissent connaître une suite. Il faut que toutes les personnes, et surtout les gros poissons, cest à il ne s'agit pas de, oui, oui, de prendre des menus frétins, par exemple, pour, pour l'affaire du permis biométrique, prendre quelques agents du ministère des Transports. Non, non. C'est-à-dire qu'il faut que des gros poissons soient indexés, en tout cas mis à la disposition de la justice. Étant entendu que les groupes sont c'est qui C'est les, ministres Même les ministres, les députés, tout, le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui sont impliqués dans... En tout cas, c'est ça qui serait symbolique. Le but, vous comprenez et, et, ce que tu dis, c'est que, étant entendu que, bien sûr, c'est pas parce qu'on vous met à la disposition de la justice que vous êtes coupable. Mm. Il y a la présomption d'innocence. On vous met à la disposition de la justice pour que vous puissiez partir, n'est-ce pas Prouver, voilà, l'innocence, votre innocence. C'est tout, c'est pas autre chose. Mm. Les gens, pourquoi les gens refusent Les gens ont une phobie et de la justice comme si, non, non, dès qu'on vous amène ce que, ça veut dire que les gens se reprochent des choses. Parce que celui qui est honnête, il ne va pas avoir peur de, de, de, partir devant la justice. Dans certains pays, quand des gens sont cités des hautes personnalités, c'est eux mêmes qui démissionnent. Dans les grandes démocraties, en France, aux États-Unis, vous avez vu, c'est des gens qui ont démissionne pour se mettre pour, que, pour se laver un peu, un peu l'honneur. Donc, je pense que la justice a un grand rôle à jouer dans le cadre de la crédibilité, en tout cas de, la crédibilité de la C'est la justice qui va faire la crédibilité de l'ALCIA. Si la justice ne poursuit pas les dossiers jusqu'au bout, l'Alcia serait une institution tout simplement évitée. Parce que cela permettra de, se rendre à l'évidence que, le travail qu'elle fait Mais c'est Michel. Mais c'est Parce que l'Alcia ne peut pas, n'a pas le pouvoir répressif. Elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est des enquêtes. Elle ficelle des dossiers. C'est comme l'instruction judiciaire. Des recommandations des et procureur. Maintenant, donc, la responsabilité, comme c'est un travail de chaîne là, il faut que la qualité soit à tous les niveaux. Donc, s'il y a de la qualité au niveau de la justice, la crédibilité de l'Alcia sera en tout cas euh, sera visible. Hmm. Mais si et on peut avoir euh, on peut gagner aussi euh, sur la lutte contre la corruption. la corruption et oui, on peut avoir on peut gagner hmm. en termes de classement. Mais aujourd'hui par exemple, le président de l'Alcia a dit le vice-président même a, ne je sais pas ça lui a échappé, il a cité, il a dit un ministre. Bon, il y a des noms qui ont été, c'est-à-dire que les gens maintenant ont les yeux rivés vers la justice. Je vous assure que si la justice ne fait rien, eh bien, les gens arriveront à la conclusion que voilà ce qu'on vous disait, la HALCIAT est une institution inutile. Parce que tant qu'au niveau de la justice, on ne poursuit pas ceux qui ont commis les choses, ça n'ira nulle part. Euh, euh, alors, Hassan Boukar, on a vu euh, parmi les points soulevés par la Halcia justement cette question des hydrocarbures ou des, des, citernes destinées à l'extérieur sont, sont réversées. en tout cas, à l'intérieur du pays, sur mille et quelques, vous avez près de 90% ou de 80% qui reviennent au pays quelle appréciation Bon, ça, montre, ça souligne, je crois, l'importance du travail qui est fait par la RCA. Vous savez, ceux qui font ce trafic de carburant, ce n'est pas vous et moi, c'est les grands messieurs. Hein. <laughs> c'est des, des, grandes personnalités, peut-être qui sont connues, parce que quand on lit la, presse, ce n'est pas des gens si anonymes que ça. On sait à peu près, en fait, on a l'impression qui est accusé à peu près par, par, cette affaire-là. Je pense que la, la CIA a déniché quand même, euh, des, des, elle a touché à des questions importantes, notamment sur cette question des, des hydrocarbures. La question que tout le monde se pose, c'est la suite. Et Garé disait que sa crédibilité dépend maintenant du traitement Qu'en fera la justice Je pense que déjà, déjà, ce stade, la Alcia a gagné parce qu'elle a eu beaucoup de critiques euh, lorsque, puisqu'elle a été mise en place initialement par un décret. Elle est arrivée maintenant à une loi. La loi lui donne des pouvoirs. Et ce que la Alcia montre aujourd'hui, c'est que quand elle a les pouvoirs, elle peut quand même aller au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est déjà important, je pense que ça les crédibilise un peu. Et comme euh, mes prédécesseurs l'ont dit, évidemment, eux, ils font l'enquête, c'est à la justice de continuer. La loi dit, que le procureur est tenu d'inquiéter lorsque le dossier lui arrive. C'est déjà important. ce n'est pas que le procureur va rien. Non, la loi l'oblige à quand même prêter attention à ce qui est la à du sommet. Donc le reste aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la justice va évidemment euh, continuer avec la même volonté aller travailler et arriver jusqu'au bout. Et, là, ça dépend euh, du président de la République. Je pense que et la halsia et le, la, justice sont, euh, il y a, a quelqu'un qui a l'obligation d'avoir des résultats et qui a carrément dit que la lutte contre la corruption est un de ses objectifs. Et donc, si le président Issou, qui est normalement, on parlait tout de suite du calendrier de la CENI, qui est normalement à la fin de son mandat, veut finir en beauté, il a l'occasion aujourd'hui, à travers ce dossier-là, de dire que pour lui, tous les Nigériens sont égaux. Ça aurait pu être des, des, vendeurs de cacahuètes, on les aurait ramassés tout de suite. Hein. Euh, euh, leur euh, innocence allait souffrir de tout ça là. Mais aujourd'hui, il faut bien que la justice traite ce dossier-là et qu'on montre que, à tous les niveaux, s'il y a des preuves, l'État est prêt à agir, la justice est prête à agir pour que les citoyens de ce pays puissent entrer dans leurs droits. On parle de 11 milliards, 14 milliards. Mm. Dans un pays où les gens ont du mal à garantir les trois repas quotidiens, que des personnes puissent euh, frauduleusement euh, extirper 11, 14 milliards qui auraient pu être dans les caisses de l'État, c'est quand même un crime. Alors comment capitaliser aujourd'hui euh, les résultats des investigations et même des travaux à, venir de, de, la Halcia non, Je pense que la Halcia, elle a la possibilité maintenant de développer une, vraie expertise, parce que la question aussi des, des nations comme la Halcia, il faut qu'elle ait de l'expertise. Les personnes qui s'investit dans la, dans la corruption, c'est quand même souvent des gens qui ont une longueur d'avance sur les institutions. Ils ont souvent une longueur d'avance sur l'État. Ils ont de gros moyens. Parfois, c'est des gens qu'on ne peut pas toucher. Je pense que euh, actuellement la, la a, identifié aussi hein, les choses qui bloquent son travail. Je crois qu'il travaille en ce moment à un projet de loi notamment sur euh, certaines questions, certains privilèges qu'ont certains acteurs de l'espace public, je crois, euh, lorsqu'il s'agit de les impliquer et mm. tout ça. Je pense qu'ils ils ont conscience des, des obstacles qu'il y a aujourd'hui qui réduisent encore ou qui tirent vers le bas leur travail. S'ils veulent, ils veulent vraiment développer une expertise et avoir un cadre qui leur permet véritablement de travailler au euh, sein de ça, en quoi passera euh, la capitalisation des résultats et des travaux à venir, euh, des travaux déjà faits qu'on a appréciés tout à l'heure et des travaux à venir de la Halcia Vous savez, la capitalisation, comme vous dites là, moi je pense que ce n'est pas, c'est pas la première fois que la Halcia a produit des résultats. On se rappelle, l'institution a investigué sur beaucoup de dossiers par le passé. Notamment, je pense au concours de la santé. Le concours de la santé, de recrutement à la santé, où euh, le concours a dû être annulé à cause des fraudes et trafic d'influence massif euh, massifs qui l'ont émaillé. Mais mais, malheureusement, malheureusement, le traitement de ce dossier-là, malheureusement, c'est pour ça que j'ai dit la crédibilité, ce que Gary vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est la justice qui va contribuer à crédibiliser le travail que la est en train de faire. Parce que tant que le travail est fait, parce qu'il y a un début de travail qui est déjà fait. Maintenant, ça a quand même euh, un peu débroussaillé le terrain pour la justice. Les noms sont là, certainement, parce que tous les dossiers qui ont été bouclés, ils ont dû interroger des gens qui sont impliqués dans ces dossiers. Maintenant, c'est à la justice de prendre la relève pour pouvoir rapidement. Et c'est ça qui va permettre de dire aux Nigériens, en tout cas, de rassurer les Nigériens qu'effectivement, maintenant, il y a une volonté de lutter contre la corruption, et les infractions assimilées. Mais tant que les dossiers vont être entassés de l'autre côté, et puis bon, on va assister à une lenteur dans leur traitement, ou, euh, comme vais avait dit, au niveau de la justice, ou une espèce de discrimination ou de machin par rapport à leur traitement. Moi, j'ai dit quelque part c'est un travail, ça va ressembler à un travail inutile, parce que les gens, certainement, qu'il y en a des gens qui sont connus. Les citoyens vont les voir en train de circuler parce qu'ils sont en position de pouvoir. et ils sont intouchables alors. Alors que si la justice prend ces gens, à pour continuer les investigations et essayer de, de, montrer en quoi la personne, si la personne parvient à euh, comme avait dit, à, euh, démontrer qu'elle est innocente. Euh, voilà, il n'y a mm. pas de problème. Mais le fait de laisser les dossiers s'entasser, moi je dis, parce que c'est des dossiers importants. Les, citoyens, les citoyens au sein de l'opinion, les gens veulent voir la suite. C'est ça le plus important. Garé, les citoyens veulent voir la suite. parce que je vous dis, la, la a le mérite d'avoir fait de la clarté, en tout cas d'avoir dit, effectivement, d'avoir parlé de, de plusieurs dossiers. Et donc, les personnes qui sont impliquées, les citoyens maintenant attendent de voir ce qui va être fait. Parce que le président a dit que mm. la justice, en tout cas, en ce qui le concerne, lui, il n'a pas vu une sorte de, refus de, traiter les dossiers. Il dit que tous les dossiers qu'il transmet sont en train d'être traités. Bon, mm. on va voir ce qui va se passer pour tous les dossiers dont il a, en tout cas, dont il a parlé le jour de son point de presse. Parce que l'Alsa n'accuse pas, ne dit pas qu'un tel est coupable. Ce qu'elle fait, elle fait ficelle, elle vous donne. Maintenant, donc, on attend de voir. Mais eh, il s'agit pas aussi. oui, il s'agit pas aussi de, voilà de, de, profiter de cette occasion, le procureur à qui on a transmis le dossier, de faire une sorte de d'affectation. on affecte le, le, procureur qui a reçu le dossier, on amène. Non, non. Il faut laisser celui qui a reçu le dossier faire le travail. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. Vraiment, les Nigériens ont les yeux rivés sur la justice. Un dernier mot, Hassan Boukar non, je, pense que, je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que euh, dans la lutte contre la corruption, on a beau faire de dossiers, s'il n'y a pas de preuves concrètes que ceux qui ont volé vont en prison, ils payent après un procès, etc., les gens auront du mal à croire. Mais avant là, il y a eu d'autres commissions, je crois, même pendant la Ve République, qui sont venues un jour citer toute une pile de, dossiers qui étaient repris par les, par les médias, mais après on n'a rien vu. Et donc, c'est pour ça que les gens disent, mais alors bon, la CIA a dit, mais attendons de voir. C'est-à-dire mm. que s'il n'y a pas d'effet, faut pas trop vite applaudir. Hein. Voilà. S'il n'y a pas d'effet sur ce qu'ils ont dit, eh bien, euh, surtout quand on cite un ministre dans ce pays, la dernière fois qu'on a vraiment montré qu'un ministre est un citoyen comme les autres, quand il commet des fautes, ça, je ne me rappelle pas. Hein. Donc, euh, mm. on attend vraiment de voir. De voir. Euh, Ousseini c'est ça les gens attendent. Parce que les gens voient un peu, ils entendent ce qui se passe dans les pays occidentaux. Ou quand un ministre est soupçonné d'avoir posé des actes répréhensibles, c'est de lui-même qu'il démissionne pour se mettre à la disposition de la justice. S'il parvient à se faire blanchir, il revient prendre son, ses fonctions. Mais on n'a pas, on n'assiste pas. Je parle, quand il s'est agi du concours qui a été annulé, je me rappelle, la procédure, quand ça a été engagé, c'est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un ministre, on devait lever son immunité, euh, machin, pas, son, immunité, mais on devait le mettre en à examen. Mais malheureusement, <laughs> le processus au niveau de l'Assemblée. Ah, alors, l'autre chose que je veux dire, c'est que les gens, feront aussi la part de choses entre le travail de la RCA et le travail de la justice. Mm. Si, la, si continue à faire ce type de sortie pour dire voilà le type de dossier sur lequel j'ai travaillé, si ça n'avance pas, c'est au niveau de la justice. donc la justice aussi joue sa crédibilité. Joue sa crédibilité. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hassan Boukar à la radio alternative et Hussein Issa, journaliste freelance. Merci à vous d'avoir euh, bien suivi cette émission. Présentation à Hassan Kouzim Amadou la technique. Euh, Abdoulaye Bunga. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire euh, du programme des jeunes demain samedi 24 août et dimanche 25 août de 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes samedi et dimanche, vous pouvez suivre respectivement le forum en Hausa et en Zarma. Bonsoir.